sommes vendredi 8 mars 2024, à journée internationale des droits de la femme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de Studio Kalangou, notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Actualité oblige, le forum de la presse de ce 8 mars 2024 mettra tout d'abord l'accent sur la célébration de la journée internationale de la femme. Il sera donc question de faire un zoom sur les combats menés, les avancées obtenues et les actions qui restent à réaliser en matière du droit des femmes ici au Niger. Enfin, nous parlerons de la mise en service officielle du pipeline Niger-Bénin le 1er mars 2024. Pour décrypter ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Memouna Diado et les journalistes indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Arimi Abba, journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafis Adam Sirfa, la modération. Merci à vous d'être venu. Ce 8 mars est la journée internationale des droits des femmes, une journée mettant en avant la lutte des droits des femmes. Le thème de cette année est Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Il met donc en lumière l'importance de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et des filles et de leur droit à une vie plus saine. Alors je commence avec vous, Memouna. Que vous inspire ce thème de cette année alors, euh, le thème, euh, ça m'inspire beaucoup, puisque en faveur des femmes, on dit d'investir en faveur des femmes pour pouvoir accélérer le rythme. Mhm. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'investissement que euh, les, nos gouvernants sont en train de faire en faveur de la femme, surtout dans le sens de l'autonomisation, si j'ai bien compris. De l'entrepreneuriat des, femmes. Il faut les aider, il faut les accompagner, il faut leur donner la possibilité également d'écouler les produits, leurs propres produits euh, qu'elles sont en train de transformer. Mm. Donc c'est ça euh, l'objectif, c'est ça l'essentiel euh, du thème et je pense que le thème a été bien réfléchi mm. puisque nous sommes dans cette situation un peu partout en Afrique. Mm. maintenant, il faut l'éveil de conscience des femmes pour qu'elles adhèrent d'abord à l'entrepreneuriat, qu'elles adhèrent d'abord, qu'elles fassent en sorte qu'elles aient des filles d'abord instruite, mhm. parce qu'il faut l'instruction pour pouvoir être aujourd'hui euh, autonome. Donc, euh, quand vous avez peut-être une fille déjà instruite, ça veut dire que déjà la communauté où vous êtes, c'est une communauté qui va réussir. Mhm, mhm. Parce que la fille instruite devient leader, leader dans sa communauté, et ça lui permettra euh, de relever les obstacles, euh, les défis mhm. Mhm. auxquels elle sera confrontée et auxquels les femmes de sa communauté seront confrontées. Et justement, cette journée met en lumière ou bien en avant la lutte des droits des femmes. Pouvez-vous un peu revenir sur les, les, origines de cette journée Oui, les origines, c'est que c'est euh, le 8 mars 1857 que des femmes ouvrières euh, se sont, euh, au niveau, donc, je pense bien de Chicago, mhm. euh, se sont rassemblés pour battre euh, le pavé, réclamer les 10 heures de, de, de, temps euh, de, de, service. Mhm. Donc, et également demander les conditions, les meilleures conditions de travail et de vie. Mhm. C'est à partir de cette sortie de ces ouvrières que les Nations Unies ont en tout cas réfléchir pour pouvoir euh, adopter, euh, une journée spéciale euh, à l'international pour toutes ces femmes. Mm. C'est-à-dire que la lutte de ces femmes a fait montrer que aujourd'hui les femmes ont besoin de droits, d'acquérir leurs droits, ont besoin qu'on leur mette dans leurs droits. C'est mm. très important. Et ça a montré que depuis tout ce temps, depuis 1857, il y a des femmes qui se battent pour être autonome. Il y a des femmes qui se battent parce qu'elles pensent que c'est leur droit et il faut leur restituer leur droit de paye, leur droit de, vie euh, aisée, leur droit également de, de de, du nombre d'heures mm. qu'elle doit faire mm. au travail. Mm. Une femme qui monte de 8 heures pour descendre, qui n'a même pas d'heure, qui, qui, peut descendre jusqu'à 20 heures, jusqu'à 21 heures, c'est au-delà des 10 heures. Et vous pensez qu'en une seule journée, les femmes peuvent réclamer tous ces droits Donc En une seule journée, c'est pas possible. En une seule journée, c'est pas possible. C'est une journée qui est dédiée à ces droits, oui. Elles l'ont fait à leur époque, c'est mm-hmm. parce que c'était des personnes qu'elles ont retrouvé en face d'elles, mhm. qui, étaient prêtes à les écouter, et prêtes à leur donner euh, gain de cause. Mhm. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que le 8 mars, depuis tout le temps que nous fêtons, nous célébrons la journée internationale de la femme, il y a toujours des répercussions, il y a toujours euh, des droits que nous réclamons, mhm. puisque Nous allons en <laughs> arriver à ces droits précisément ici au Niger. Alors, Arimi ce 8 mars, c'est la journée donc euh, certains disent la journée de la femme ou journée internationale des droits des femmes. Toujours, ce sont des appellations qui font référence à cette journée du 8 mars. Quelle est votre perception donc de la journée du 8 mars, Arimi euh, Merci. la question de journée de ci, de journée de ça, mm. euh, je trouve que c'est une très belle trouvaille. Euh, d'autant plus qu'on se bat toute une année pour ces causes-là. Mm. Et c'est l'heure normalement du bilan n'est-ce pas mm. euh, Les hommes et les femmes qui se battent pour cette bonne cause mm. euh, doivent pouvoir se retrouver et savoir qu'est-ce qu'il en est mm. de tout ce combat mené et de repartir à nouveau parce que c'est une lutte euh, perpétuelle, c'est une lutte permanente dont il faut multiplier le nombre d'adhérents chaque année qui passe. Euh, au Niger, je constate que oui, il y a de la résistance, c'est normal, une société n'est jamais euh, changeante d'un coup, tout le monde ne peut pas euh, adhérer à la même cause et surtout qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent remettre en cause et les acquis mm. et l'aspiration légitime des femmes. Mm. mais toujours est-il que au Niger, je constate qu'il y a des avancées. Mm. Il y a des avancées pas au plan politique, non, mais dans la vie de tous les jours. Mm. Euh, je constate que les hommes particulièrement, n'est-ce pas, qui, en tout cas des milieux que nous fréquentons, les débats que nous écoutons, mm. aujourd'hui, euh, aucune planification, aucun euh, planning ne se fait sans penser au genre, sans penser vraiment à la femme aussi. Avant d'arriver au cas du Niger, mais la journée même en tant que telle de lutte pour les droits des femmes pourquoi, selon vous, une journée choisie pour défendre ou bien euh, parler de ces droits Moi a rappelé, mais vous savez, les femmes de 1857 euh, avaient revendiqué euh, des heures n'est-ce pas, supplémentaires, des heures de, de, repos, parce que les charges de la femme ne sont pas les mêmes. Euh, quoi qu'on dise biologiquement, par, par exemple, la femme doit allaiter, n'est-ce pas euh, Pour cette raison, il y a des industriels qui ne voulaient pas prendre les femmes n'est-ce pas Parce qu'elle doit arrêter pour aller l'été, elle doit euh, arrêter pour mener à terme mhm. euh, sa grossesse, n'est-ce pas euh, Quelle belle cause vraiment. Mais il y a beaucoup d'industriels, y compris aujourd'hui. Chez nous, on n'a pas beaucoup d'industrie donc on ne se rend pas tellement compte. Mais ne voulait même pas engager les femmes. Mhm. Et quand ils engagent les femmes, c'est pour leur donner vraiment des salaires moins même à compétences égales, n'est-ce pas, à diplôme euh, égal, euh, on ne donne pas la même, le même salaire à la mm, femme. Mm. Euh, aussi, on ne donne pas des responsabilités à la femme. Mm, Et c'est des causes, ça c'est des questions très sensibles, n'est-ce pas, qui frustrent au sein d'une administration, au, sein d'une entreprise. Et donc ça n'a pas échappé aux femmes ouvrières qui ont revendiqué à être rétablies dans tous ces droits. Et donc, eux, ils ont fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, on parle y compris, y compris de congés de de paternité, mhm, mhm, mhm. n'est-ce pas Mais c'est la bonne cause parce que dans nos pays aussi, particulièrement dans les pays du tiers-monde, ces droits ne sont non plus pas euh, respectés. D'ailleurs, les revendications, souvent jusqu'aujourd'hui, y compris dans les médias d'ailleurs, c'est de dire aussi que les femmes sont de moins en moins euh, responsabilisées. Alors, merci Arimi. Pour parler de questions des droits des femmes, on fait référence à ces ouvrières de Chicago, Ousseini Issa. Euh, cette lutte, comment elle a commencé ici au Niger Pour parler un peu de la lutte, d'abord, je me joins à Arimi et à Memouna représenter, comment dirais-je, euh, ça aurait été bonne fête à l'ensemble. Mais pourtant, on dit que ce n'est pas une fête, c'est une journée de revendication des droits. Quand même, c'est quand même. <laughs> non, oui, c'est une fête parce que. c'est, mhm. En réalité, bon, on a tendance ici au Niger à a fixé la lutte à partir de la décennie 90. 91. Euh, non, mais ça, c'est bien avant, longtemps avant, mhm. longtemps, parce que moi, je suis un peu expert genre. Mhm, mhm. J'ai fait des travaux autour de la question, c'est longtemps avant. Depuis pratiquement la lutte pour la quête des indépendances, n'est-ce pas Ça existait. Bien évidemment, il y a des femmes combattantes qui se sont battues qui ont mené la bataille quand il y avait deux partis politiques, le Soraba et les, comment avais-je dire, euh, et, le FDA, où c'était farouche la lutte politique. Il y a des femmes qui se sont affirmées. Il y a une compatriote qui a écrit un ouvrage, euh, c'était sa thèse de doctorat, pour montrer comment des femmes se sont illustrées déjà à cette époque. Pendant que les services fuyaient, c'était des femmes qui tenaient les foyers et qui étaient déterminées. Oui, bien évidemment qui, qui, qui karma, qui, qui crée les conditions pour que les hommes qui étaient en lutte, que ces hommes ne manquent de rien. Mhm. Mais on a tendance à, à ramener cette lutte à partir de la décennie 90, à, à, partir de à partir de la marche qui a été organisée ici à Niamey mhm. par les Madame Bayard Gamaki et puis voilà. En ce temps, c'était la FN. Oui, c'était l'IFN et FN, venait d'être créé. Mhm. Et ils ont se mobilisé parce que tout simplement au niveau de la représentation dans le comité préparatoire de la conférence nationale souveraine, il n'y avait pas suffisamment de représentation féminine et mhm, c'était mhm, mobilisé mhm, pour exiger qu'il y ait plus de représentation féminine, au sein de cette organisation. On peut considérer que dans le temps moderne, c'est un partir de, de comment avait dit, le, quand le pays est réuni avec la démocratie, c'est à partir. Mais bien avant, il faut que les gens, quand on fait l'historique, il y a des femmes dans les années 58, les années 60. Qui menaient déjà le combat. Qui menaient déjà le combat politique, s'entend. Parce que bon, si on doit remonter encore dans l'histoire, il y a des qui ont été guerrières et tout et tout, n'est-ce pas mm. Tout ça, bon, on peut pas faire l'historique de comment les femmes se sont battues dans ce pays. Mm. Mais toujours est-il dit que c'est à partir de cette date que les, da les femmes ont commencé à, à, vouloir, en tout cas, exiger un certain nombre de droits. Parce que jusqu'en 87, 89, quand il y a eu le gouvernement, on, prenait, on se contentait simplement d'une femme dans le gouvernement. Mm, souvent, c'était secrétaire d'État aux, conditions, aux affaires féminines. Mhm. C'était des postes, ça s'arrêtait là. Army parle d'avancer mais aujourd'hui, selon vous, à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des avancées amateurs en matière Non, je considère, qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Comme quoi Il y a eu beaucoup d'avancées parce que de plus en plus, les mythes sont en train d'être brisés à l'époque La question du quota au sein moi je pense le quota, il faut que les femmes passent, euh, dépassent cette histoire de quota parce que le quota c'est comme si c'est comme si vous si si si, vous revendiquez vous, Il y a beaucoup plus de questions plus moi, je pense qu'il y a des questions beaucoup plus importantes que, les femmes, parce qu'on a comme l'impression, hein, parce que moi, si je dois parler en profondeur de cette question-là, je vais catégoriser d'abord les femmes. Il y a plusieurs catégories de femmes, n'est-ce pas quand je prends les femmes qui vivent, les femmes des, zones, les femmes en rural, oui. Euh, les droits sont différents. Mais, bien, ça doit être les mêmes droits, mais malheureusement, bon, la situation. Donc, parlant même de la femme en milieu rural, hein? de quoi elle a besoin aujourd'hui Elle a besoin de tout. Elle a, besoin de tout. Et moi, je mais elle a besoin de tout. Mhm. Même du point de vue des travaux, des travaux qu'elle fait, qu'elle effectue au quotidien, elle travaille du matin au soir, mhm. n'est-ce pas elle travaille du matin au soir mhm. sans résigner. Elle prépare, elle cherche du bois, elle va, elle puise l'eau, elle s'occupe de tout, pratiquement de tout. Et c'est arrivé la première et s'endort la dernière. Mhm. Et c'est arrivé encore le lendemain la première dans le foyer. Alors, ah, ça c'est une catégorie. Ce sont, une de femmes. femmes combattantes. Mais c'est les femmes qui se battent en silence. dans le silence, personne, <laughs> dans la dignité personnes, elles ne sont pas là pour, exposer, pour plaire, pour mhm. exposer. Mhm. Mhm. Maintenant, en ville aussi, il y a deux catégories. Les deux catégories de la ville, c'est les femmes qui se disent intellectuelles, qui courent après les postes. N'est-ce pas Et il y a les ménagères qui sont à la maison, n'est-ce pas Qui sont dans leur coin, tranquille. Donc certains sont éveillés, n'est-ce pas mais le véritable problème, c'est l'accès au financement, l'accès aux ressources. N'est-ce pas C'est mm. important, mm. l'accès aux ressources. Parce que quand on fait la comparaison, quand on fait la comparaison entre les femmes côtières et les femmes. Euh, c'est pas la même réalité, euh, c'est pas, pas, le même euh, quotidien. Parce que quand vous voyez chez les côtières, vous n'allez pas trouver, même chez une femme qui travaille, qui va dans l'administration ou qui travaille, tu vas, elle est toujours en train de faire un petit commerce à domicile, mm-hmm. n'est-ce pas Ici, chez nous, quand on va à l'école, on a un certain niveau d'instruction, on considère que c'est chercher l'argent. Il faut ici un éveil de conscience. Donc, il faut, euh, il faut parce que quand on dit le financement, quand, entreprendre des... quand, on parle de financement, on a tendance à croire que le financement, il faut des gros montants. Mhm, mhm, mhm. Là-bas, vous allez trouver des femmes qui commencent avec des petits montants, mais qui arrivent à un niveau. Parce que tout simplement, elles sont persévérantes dans ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut même se limiter uniquement même à, cette, euh, à, investir sur les femmes pour leur permettre d'être autonomes Pourquoi même euh, se limiter sur les investissements aujourd'hui Les investissements, je veux dire, les investissements dans tous les cas, c'est que les gens attendent qu'on dise que l'État, l'État peut faciliter l'accès mhm. à des crédits, n'est-ce pas il y a des projets qui interviennent dans ce domaine. Mhm. Mais quand j'entends les gens dire il faut que l'État, il faut que l'État, l'État doit faciliter l'accès aux investissements, mhm. au financement mhm. pour permettre aux femmes de pouvoir s'autonomiser. Mais ce n'est pas l'État qui va prendre l'argent pour venir et mettre parce que ah, ça nécessite en plus un encadrement. C'est des choses qu'il faut mettre ensemble. Alors, ah. Maimouna, vos deux prédécesseurs parlent d'avancer. mais qu'en est-il Quelle est la réalité en tant que femme aujourd'hui En tant que femme, euh, il y a, euh, c'est vrai, énormément d'avancées. Hein, et il ne faut pas se cacher la face. Mais comme il y a également, euh, jusqu'à présent, dans certains milieux, des avancées qui ne sont pas encore, qui sont moindres. Aujourd'hui, quel est le vrai combat que mènent les femmes nigériennes, la femme nigérienne La femme nigérienne, le combat que la femme nigérienne est en train de mener aujourd'hui, c'est le combat de l'autosuffisance. Hein. Autosuffisance en matière Finances euh, Finance, en matière l'autosuffisance alimentaire, elles sont dans le domaine de la transformation, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, elles sont pas, c'est pas uniquement les femmes qui ne sont, qui ne font rien, qui sont dans leur foyer, qui sont en train de se battre. Mm-hmm. Aujourd'hui, même les femmes fonctionnaires sont en train de faire l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Et c'est déjà euh, un éveil de conscience à leur niveau. C'est très important. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où c'est la femme qui gère la situation de difficulté aujourd'hui dans les foyers. Mhm. Tout ce qu'elle cherche, un pouvoir tout ce qu'elle trouve, elle investit ça dans le foyer. Non, je vois <laughs> qui, dit. Mais, mais moi, c'est ce que je vois. Mhm. Je vois que même si elles ne sont pas nombreuses, quand même, mais il y a quand même des femmes qui sont en train de réfléchir dans ce sens. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les femmes nigériennes, aujourd'hui, elles sont Dynamique, si je peux le dire, excusez-moi du terme, en matière de réclamation des droits elles ne sont pas dynamiques en matière de réclamation des droits parce que jusqu'à présent, il y a des droits qui, sont euh, piétinés, les droits des femmes qui ont été, en tout cas, euh, on a eu la possibilité d'avoir ces droits-là, des acquis, mais qui jusqu'à présent, parce que tout simplement, les femmes ne comprennent pas l'utilité de ces droits-là, ces droits-là sont en train d'être piétinés. Par exemple, quel droit Aujourd'hui, quand je, ne, serait-ce que le congé de, maternité, mhm. il faut regarder combien de femmes sont en train de souffrir en silence. Par, parce que tout simplement, un employeur refuse de donner l'opportunité à cette femme, même après son accouchement, d'avoir les, textes, trois mois. Les textes le permettent. C'est ce que je suis en train de mhm. dire, mais il y a quand même ces textes-là sont là, mais c'est jusqu'à présent, il y a ceux qui en abusent. Aujourd'hui, on parle également de, en termes de droits, euh, je peux dépasser le sens que euh, aujourd'hui dans les services, par exemple, quand vous regardez, mm. on dit diplôme égal, salaire égal, mais est-ce que mm-hmm. ça se fait mm-hmm. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque Pourquoi les femmes ne jugent pas pleinement de leurs droits Parce qu'elles ne sont pas unies pour pouvoir faire la lutte ensemble elles sont dispersées. Il faut une solidarité Il faut une solidarité féminine. Oh, moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas l'homme qui est le problème de la femme, mais mhm. c'est la femme qui est le problème de la femme. Parce que tant qu'il n'y a pas de solidarité, tant qu'il n'y a pas les femmes là mhm. qui arrivent à comprendre que celle-là, c'est ma soeur, il faut mhm. que je l'aide, puisque si elle arrive à grimper sur l'arbre contenant des fruits, quand elle va grimper, les fruits qu'elle va pouvoir cueillir, c'est pour nous tous. Mm, mm. Mais quand aujourd'hui, parce que tout simplement, on a cette euh, euh, incompréhension de, sociale mm. de ceux qui nous entourent, et on, préfère hein, mettre les bâtons dans les roues de sa soeur mm-hmm. que de l'aider à aller de l'avant. Les hommes ne sont pas des il problèmes. Il faut donc euh, une plus grande solidarité. et selon vous, les hommes ne sont pas ne sont pas un problème. Les hommes ne sont pas le problème des femmes. Oui, justement, Arimi, le 8 mars, on le sait, n'est pas la seule journée de l'année où il faut complimenter les femmes ou bien traiter les femmes. Bien au contraire, le combat pour les droits euh, des femmes est un combat de tous les jours, comme vous venez de le dire, devant même impliquer les femmes autant les femmes que les hommes. Oh. Alors comment les hommes ici au Niger, euh, quelle est donc l'implication de l'homme aujourd'hui dans le respect de ces droits des femmes ici au Niger Oui, parce que euh, c'est extrêmement important l'homme. Pour la femme, c'est sa moitié en fait, c'est deux moitiés qui sont euh, inséparables et dont il faut vraiment euh, attirer l'attention. Mhm. Il faut mettre l'accent sur la sensibilisation de, de l'homme. Aujourd'hui, euh, compte tenu des rappels euh, faits par euh, mhm. mais aussi des choses que... Euh, euh, a soulevé, même si j'ai souri, euh, c'est des réalités. Mhm. C'est des réalités aujourd'hui face aux difficultés économiques euh, à nous imposer hein, par euh, l'extérieur, mhm. notamment la fermeture des frontières, mais aussi toutes les actions auxquelles le Niger a eu à faire face, n'est-ce pas Inévitablement, euh, les femmes euh, ont beaucoup contribué dans la résilience, tant euh, chantée, vraiment, tant souhaitée mm-hmm. et qui a été réelle, vraiment, au niveau du peuple nigérien. il faut reconnaître que les femmes justement quand ça ne va pas, ce sont elles qui font de la magie. Mhm. Euh, c'est ce sont elles qui font de la magie parce que euh, si tu as l'habitude de laisser 5 000 à la maison et que tu es ramené à 1000 francs, c'est la femme qui sait se débrouiller pour faire euh, face. Et mhm. donc, mhm. dans une situation de résilience, n'est-ce pas, ni a soulevé du temps de Sawaba, n'est-ce pas, quand les combattants de Sawaba se, sont partis du pays parce qu'obligés, et quand euh, au, au, village le, le, le, paysan où vraiment le jeune euh, bras valide est obligé de s'en aller pendant les périodes de, soudure et tout, mhm. c'est toujours la femme qui fait face mhm. avec le peu, le strict minimum qu'on lui laisse. Euh, et même si on ne lui laisse pas, c'est elle qui se débrouille. Mhm. Parfois, tu reviens à la maison, tu trouves ce qu'il y a. Euh, tu ne te demandes même pas comment elle s'est débrouillée pour, pour l'avoir. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, dans tous les cas, économique, tel que, n'est-ce pas, euh, et ça impose justement, souvent c'est les difficultés qui mm-hmm, imposent mm-hmm, aussi les mm-hmm. changements. La femme, mais le peu qu'elle a, euh, si c'est la femme rurale, euh, les deux têtes de chèvre qu'elle élève, le petit lopin de terre qu'elle a eu travailler pendant entre deux repas, euh, ainsi de suite, elle contribue, n'est-ce pas, au développement de sa famille, à prendre en charge les enfants, mhm. à envoyer les enfants à l'école, parce que quand les enfants vont à l'école aussi, c'est la femme mhm. qui double son heure de travail pour pouvoir faire face. Donc, mhm. vraiment, euh, il faut, c'est juste que le travail de, de la femme de tout temps n'a jamais été valoriser. Mmh, mmh, mmh. L'homme, il voit son salaire qu'il prend, qu'il investit, il est bien vrai, euh, totalement dans la gestion de la famille, mais euh, euh, il oublie que pour tout transformer, pour faire face à tout, qu'il y a quelqu'un qui est quotidiennement éveillé et qui veille au grain pour que non seulement cet argent ne voit pas en l'air, mais aussi pour que ça serve à toute la prise en charge familiale. Bon, il faut valoriser. C'est 14 heures de travail selon les, selon les spécialistes mhm. par jour pour mhm. la femme rurale. Et donc, ce qu'il y a à faire, je crois que l'État nigérien a songé par moment à des choses où il faut vraiment réduire le temps de travail de la mhm. femme rurale. Tout ça, suite, doit Hussein le disait, les réalités ne sont pas les mêmes euh, les femmes en milieu urbain et rural. Aujourd'hui, que pensez-vous de la lutte que mènent certaines femmes leaders, si je peux le dire, pour ces femmes du milieu rural Moi, j'ai l'impression que, euh, sincèrement, oui, il y en a des femmes leaders qui ont des projets. Euh, pour par exemple amener des machines à moudre, mhm. pour installer des, pompes solaires. Euh, à part ça, euh, les revendications de postes politiques, à mon, humble avis, mhm. ça ne sert à rien à la femme euh, rurale. Parce que que ce soit un homme ou une femme, quand qui est sensible à la cause de la femme, quand il mhm. occupe un poste politique, il peut bel et bien prendre en charge les préoccupations de la femme euh, rurale qui sont vraiment un étalage pendant des heures et des heures pendant la journée mhm. et même une partie de la nuit, vraiment pour qu'elle travaille, qu'elle ne se repose pas, elle est hyper stressée. Mhm. C'est ce qui euh, augmente le nombre de maladies féminines, le nombre de euh, mauvais accouchements, le nombre de grossesses interrompues pas à terme, ainsi de suite, des maladies des femmes. Mhm, mhm. Donc c'est de cela qu'il s'agit et c'est l'écrasante majorité de la femme, mhm, des femmes. Et donc c'est vraiment sur cela qu'il faut se pencher, vraiment à mon sens, dans les, euh, années, les, semaines vraiment et l'année qui commence, puisque demain, la journée internationale de la femme, et eh bien à partir de demain, on doit mettre de l'avant. Parce que, à mon sens, dans l'administration, je crois qu'au fur et à mesure, il y a une euh, représentativité, il y a une, il y a une prise en charge, une prise de conscience en tout mhm, cas. D'accord. Voilà. Alors, le thème de cette année fait référence à l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et des filles et de leur droit à une vie plus saine. Alors, Monsieur Ousseini, mais nous le déplorait tout de suite qu'il n'y a pas une plus grande solidarité de ces femmes. Comment elles doivent s'investir pour être vraiment de puissants leviers, si je peux le dire, au service du peuple Malheureusement, c'est la, triste réalité, c'est que Le mhm. problème est là, le mhm. problème fondamental est là. Vous avez vu, à l'occasion de cette journée, par exemple, il y aura peut-être des conférences, des panels, des... Mhm. ceci, cela. Les, chacun vient exposer son, ses, étaler ses connaissances et tout et tout. Mais on est dans une société qui est totalement, une société totalement pervertie, quelque part quand je regarde un peu ce que j'observe, mhm, mhm. aujourd'hui tout le monde court après les décrits. Toutes les femmes qui sont des postes de nomination et tout, et tout. n'est-ce pas C'est un peu ça la difficulté. Et ça fait que quand il s'agit de défendre et comment dire, se, se, mettre ensemble pour défendre la cause de la, femme. Chacun voit son parti ou son, son, comment on appelle ça. On ne veut pas voir l'autre parce que l'autre, mhm. même si elle est plus compétente, on reconnaît qu'elle est plus compétente. Chacun met l'intérêt personnel L'intérêt personnel au devant au détriment de l'intérêt collectif, n'est-ce pas Tout ce qu'on fait comme bruit, c'est pour accéder à des postes de, euh, de, de comment on des postes de nomination, à des postes de de caillis, mhm. comme, dirait quelqu'un. Mhm. C'est pas, c'est pas, c'est pas autre chose. Mhm. Souvent, une fois qu'elles atteignent ce stade-là, elles rompent avec les personnes même qui ont soutenu. Et ça fait problème ça fait véritable problème. Quand on dit l'égalité, aujourd'hui, de plus en plus, moi, je dis au niveau des hommes, le problème ne se pose pas. Pas seulement dans les centres urbains, même en campagne. Allez-y dans les marchés hebdomadaires. Vous allez trouver plus de femmes en train, sont plus nombreuses en train de vendre, de faire du commerce. Le commerce. Beaucoup plus de femmes aujourd'hui pratiquent des métiers d'hommes. Mais bien évidemment, il n'y a mhm. aucun homme pour le dire. L'homme ne va jamais dire à sa femme, non, tu ne peux pas aller au marché. Mhm. non, il y a encore des résistances dans des milieux bien précis. dans, des milieux bien précis, un peu les milieux, comment veut dire, un peu. Plus restreint, euh, euh, oui. oui, qui considèrent que la femme ne doit pas faire ceci, la mhm, femme. Mhm. Mais de manière globale, quand on voit la société nigérienne, aujourd'hui, personne ne va dire à sa femme, reste. <laughs> Ah, <laughs> si, elle peut faire quelque chose mhm, pour t'aider, dans tous les cas, même si c'est pas, elle va céder. Elle va céder, au moins ça va te soulager pour ces questions-là, moi je pense que le travail doit être beaucoup plus, l'accent doit être beaucoup plus mis, parce qu'on a comme l'impression que ça se s'estompe d'année en année. Cette lutte qui se mène à l'intérieur, ici même, on a comme l'impression que les gens sont agrippés au quota. Les gens sont en train de se faire, des, les femmes sont en train de se faire des coups bas, ceci, cela. Et malheureusement, dans ce contexte. On oublie même la femme. la femme, de, la femme rurale, elle, s'en fout. Elle n'a rien à foutre avec ces histoires de poste. Elle, elle, elle mène sa vie. Mais comment l'État même doit accompagner ces femmes aujourd'hui bah, Ce que l'État peut faire pour accompagner, c'est mettre en place les infrastructures. Aujourd'hui, il y a des zones où les femmes ils produisent, elles produisent beaucoup. Mhm. Mais c'est acheminé au niveau des marchés, mhm. n'est-ce pas C'est le problème d'acheminement souvent des produits. C'est faciliter les tâches les tâches domestiques. Mm-hmm. Tout à l'heure, on parlait de moulins, d'accès. De, de plus en plus, à travers des projets, mm-hmm. on arrive à mettre en place. La, la question de l'investissement. C'est l'investissement, oui, mais mm-hmm. bien évidemment, mais pas l'investissement en termes d'aller donner de, de l'argent. On peut faire des accompagnements, des petits accompagnements et des encadrements. Mais le plus important, c'est de créer les infrastructures qui puissent permettre aux femmes Aujourd'hui, vous allez à Galmi, vous allez trouver des femmes qui ont des machines d'oignons mhm. qui font des, des, des, des, des coopératives, et tout et tout. Mhm. demanderaient euh, à l'État. Tout ce qu'elles peuvent demander, c'est qu'on puisse faire des routes. Mhm. Tout ce qu'on peut demander, parce que c'est quand il y a la route qu'on peut acheminer les produits en ville et pouvoir vendre. Quand il n'y a pas de route, c'est compliqué. C'est ça, moi, je pense, les investissements dont, dont, dont il est question. Oui, Armi. Oui, en fait, hein, en matière d'activisme pour la promotion des droits de, la femme, il faut euh, très vite aller vers la budgétisation mhm. sensible au genre. C'est-à-dire prendre en compte les préoccupations de la femme mhm. dans tous les secteurs de la vie de la cité. Mhm. Autrement dit, on va construire des routes, n'est-ce pas Cette route-là, en quoi elle prend en charge la préoccupation de la femme, n'est-ce pas mhm. euh, Donc, autrement, donc, conformément à ce qu'elle a dit, n'est-ce pas Par exemple, la construction de la route Agadez Arlit est bien fondée, mais aussi de la construction de petites routes vraiment qui vont aller vers les villages, vers les campements, pour que les produits euh, des jardins, les produits vraiment la pomme de terre, mhm, l'oignon mhm. qui produit dans cette euh, région-là puissent être acheminés mhm. vers les centres urbains. Ça, c'est quelque chose de d'essentiel. Par exemple, l'électrification. Parce qu'on sait que c'est les femmes qui euh, font de, la glace, mhm. qui font vraiment des, des, produits un peu frais pendant cette chaleur et tout, n'est-ce pas S'il y en a l'électrification rurale, c'est une activité qui prend très mhm. bien en mhm. compte la préoccupation de la femme. Ainsi de suite, mais aussi, il y a des, produits euh, de, de l'artisanat, parce que euh, dans toute notre société, euh, beaucoup, tout ce, qui est, tout ce qui est fait au plan artisanal, c'est généralement les, femmes, qui les font, mhm. n'est-ce pas Donc, leur acheminer les produits de base, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent faire ce travail-là, mais mhm. créer aussi la possibilité pour elles d'écouler ça. Parce que rien ne sert de produire sans pouvoir... Merci, merci rapidement, oui, pour clôturer ce sujet. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, le seul ministère que les femmes ah, ont, la promotion de la femme, c'est la promotion de la, femme a disparu. Aujourd'hui, c'est la population. oui. donc là également, peut-être que c'est une doléance aussi. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, au niveau donc, euh, oui, au niveau du CNSP, mm-hmm. de voir dans quelles conditions, dans quelles possibilités ramener ce ministère, puisque c'est le ministère qui nous euh, fait parler. je <laughs> pense que oui, c'est symboliquement très bien. Mais il ne faut jamais perdre de vue que la question de la femme, c'est une question transversale ah, qui, regarde tous les, secteurs, D'accord. Nous souhaitons donc à l'occasion de cette énième célébration de la journée des droits des femmes que des actions concrètes soient menées pour accélérer le rythme. Nous allons observer une courte pause. Pour terminer ce forum de la presse, le pipeline Niger-Bénin a officiellement été mis en service le 1er mars 2024. Ce oléoduc géant testé pour la première fois en novembre 2023 et qui doit exporter et commercialiser du pétrole via le port de Cotonou au Bénin en provenance du champ pétrolier d'Agadem entre ainsi en service. Ousseinissa, comment avez-vous accueilli cette information? C'est une bonne nouvelle. Hmm. C'est une bonne nouvelle. C'est l'aboutissement quand même d'un projet attendu de longue date par les Nigériens. Comme vous l'avez dit, c'est en novembre que la première phase du lancement a été testée. Oui, oui. Maintenant, c'est la phase ultime, c'est-à-dire euh, la mise en dire que la manne a commencé à couler, mhm. n'est-ce pas Mais bon, c'est bien. C'est bien. Mais le plus important, mhm. c'est qu'il faut la transparence. Parce qu'aujourd'hui, pendant dix ans, le pétrole a été exploité et raffiné. Pendant dix ans, les Nigériens ne savent pas comment l'argent a été géré. le sentiment dominant au sein de l'opinion, c'est que le pétrole a servi à un camp politique, alors que c'est une ressource qui appartient à tous les Nigériens. Pendant les dix bonnes années, il n'y a pas eu d'audit, on n'a rien dit aux gens, le carburant n'a pas, le prix du carburant n'a pas baissé. Et on s'est trouvé jusqu'à pratiquement le coup d'État, mm. il n'y avait pas grand-chose. Il faut pas. D'abord, les gens, il faut qu'on crée les conditions de transparence par rapport, qu'on dise ce qui s'est passé pendant les 10 ans mhm. de raffinage du pétrole, mais qu'il y ait plus de transparence afin que l'argent que ça va générer puisse aller dans les secteurs sociaux de base. Justement, il faut qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Mais quel est aujourd'hui l'avantage même pour le peuple nigérian eh L'avantage, c'est que ça, va accroître le budget, l'argent, mhm. n'est-ce pas C'est ça la chose la plus importante on va se trouver avec beaucoup plus d'argent. Mais si on a beaucoup d'argent, si c'est bien géré l'argent, ça peut permettre de développer le pays. Mais si c'est de l'argent qui va rentrer dans quelques poches, mais alors, ça devient de l'argent Il faut pas, il faut pas. Il y a beaucoup de pays qui ont le pétrole, mais les gens souffrent. Ça doit contribuer à lutter contre la pauvreté, mmh, mmh, mmh. n'est-ce pas Et sur le terrain, concrètement, qu'est-ce que ça sous-entend de mettre en place ce pipeline-là Ça sous-entend, sur le terrain, concrètement, non seulement, bon, on attend de voir comment l'argent va être euh, euh, comment on appelle ça, l'argent va être utilisé. Mm. Il faut qu'il y ait la transparence en matière de ressources, de gestion des ressources naturelles. il y a des pays occidentaux qui se sont développés grâce à des ressources naturelles. Mm. Mais ils ont bien investi ces ressources-là. Mm. Mais nous, chez nous, en Afrique de manière générale, ça profite à quelques euh, à des groupuscules de gens au pouvoir. Mm-hmm. Il faut qu'on arrête ces choses-là en se disant que c'est des ressources épuisables. Mm-hmm. Mais comment vont être, selon vous, l'utilisation euh, de ces barils de pétrole C'est la vente à l'international. On va avoir des partenaires, peut-être c'est les Chinois, mhm. peut-être il y a plusieurs partenaires qui sont là, mhm. qui veulent prendre en charge cet aspect-là. Mhm. Dans tous les cas, c'est un contrat partenariat avec au moins trois partenaires. Le Niger a sa part, les deux autres partenaires ont leur part. Mhm. Mais pourvu que ce que nous, nous allons gagner là, Soit beaucoup il faut que euh, les Nigériens ressentent les retombées. Mhm. C'est pas dire que le pétrole coule au Niger, mais les gens vont se retrouver, on va se paupériser davantage. Mhm. On a vu, on a parlé de l'or. L'or n'a pas. Quand, quand, il était question de l'exploitation de l'or, on nous a miroité que l'or allait permettre de changer les choses. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait. Merci. Alors, il faut beaucoup plus de transparence selon M. Hussein Issa et selon le ministre du pétrole nigérien. La mise en service du pipeline permettra de booster la croissance économique, comme l'a d'ailleurs dit Ouseni, en y contribuant, selon les projections de 2025, à 24% de la richesse nationale et en rapportant environ 45% des recettes fiscales. Une avancée pour le pays, mais maintenant avancer pour le pays si réellement ce qu'ils disent, ils vont <laughs> mettre ça à exécution. Parce que je suis d'avis avec euh, Ousseini. On a tellement de ressources euh, aujourd'hui, ressources minières aujourd'hui, mais les Nigériens, on n'a on pas pu en tout cas euh, mettre à l'avantage des Nigériens, des populations surtout aux Nigériens. Et je pense que peut-être que c'est le déclic cette fois-ci euh, on peut qu'espérer qu'il y ait plus de changements, mhm. qu'il y ait plus également euh, que les, conditions de vie des Nigériens seront améliorées mhm. avec euh, le pourcentage qu'on vient de, dire à l'instant. Mhm. Et je pense que, bon, on, croise les doigts pour que ça soit <laughs> réellement ça. Sinon, on serait toujours là pour pouvoir encore en discuter. Vraiment, Arimi, selon les experts, avec une capacité de production estimée à 90 000 barils par jour sur Tolodic, ne se contente pas de renforcer la sécurité énergétique des pays concernés, mais ouvre également la porte à d'importantes recettes fiscales euh, et droits de transit pour le Bénin. Alors comment cela va se concrétiser euh, alors que les frontières, la frontière Bénin-Niger reste toujours fermée depuis le 26 juillet, le coup d'État du 26 <laughs> juillet Ça c'est pour les citoyens, <laughs> hein? ou bien parce que déjà on a vu d'abord hein, comment euh, le président béninois s'agitait pour que finalement cette frontière-là soit ouverte n'est-ce pas Ce qui le lie davantage au Niger. Avec euh, la fermeture de frontières, on s'est rendu compte qu'il en a perdu autant ou plus que nous, n'est-ce pas Mais aussi que c'est une chance, n'est-ce pas, euh, pour lui que cet oléoduc euh, passe par là. Mhm. Et ça, on ne peut rien. Euh, je crois que les accords euh, internationaux ne doivent pas souffrir de conflits ou de crises sous-régionales ou mm-hmm. vraiment mm-hmm. entre deux pays. c'est que, oui, le Nigeria a eu tort, par exemple, de nous couper l'électricité, soit dit en, passant. Euh, ceci étant, oui, il n'y a pas que la vente du brut même qui génère des ressources, c'est aussi vraiment les taxes les taxes, que, euh, qu'est-ce que ça va générer. Mhm. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on n'a pas un pool vraiment de, de, de, d'experts, n'est-ce pas, capables de nous suivre n'est-ce pas, mhm. l'extraction de ces ressources-là mhm. dans notre pays. On sait que pendant 50 ans, l'exploitation de l'uranium on a été grugé de bout en bout. Théoriquement, on avait 33%, n'est-ce pas euh, Mais euh, je suis persuadé qu'on n'a pas 20% de ce qui était sorti. Mm-hmm. Et avec euh, le pétrole... Aux, autorités donc de penser à... Justement, c'est de former les jeunes Nigériens. Mm-hmm. Aujourd'hui, le Nigeria, même si tu es un diable, tu ne peux pas les dribbler en mhm. cette matière-là. Mhm. La preuve, ils sont en train de faire, de mettre en place l'une des raffineries la plus performante, la plus grande, la plus moderne mhm. du monde, n'est-ce pas dans leur propre pays et sous un truc privé d'un Nigérien. Mm, mm, mm. N'est-ce pas Et nous, on doit se spécialiser. Dès lors qu'on passe à 110 barils par jour, n'est-ce pas Et il semblerait qu'on en a vraiment du pétrole suffisamment pour que notre production soit boostée, n'est-ce pas Peut-être dix fois plus, d'ici les 30-40 ans à venir. Pour que les Nigériens euh, ne soient pas, ne continuent pas vraiment à juste être poliés, n'est-ce pas Parce que déjà, nous avons 1800, 1000 et quelques mhm, mhm. kilomètres de, d'oléoduc qui traverse. Mhm, de là où c'est exploité, euh, la prise en charge euh, de l'environnement n'est pas garantie. Tous ces aspects doivent déjà être pris en compte. Ensuite, vraiment, les recettes. Parce que gérer les recettes, le peu qui rentre, c'est une chose, n'est-ce pas Mais vraiment que le Niger soit d'abord dans ce droit. et comme ça, entre mhm. fils du pays, là aussi, on va créer les conditions pour que la transparence y soit mhm. et que ça soit. Euh, on a, parce que c'est bien de venir souvent après mhm. les gens qui ont commencé déjà à exploiter et dont, voilà, qui ont des résultats. Parce que c'est quelque chose, la principale leçon des ressources du sous-sol, c'est que les recettes qui viennent au bon moment soient investies mhm. dans des choses durables. Mhm. Et ce n'est pas ce qu'on a fait avant. Voilà, bien gérer tout simplement. Alors, Ousseini, outre cette question de transparence, comment l'État du Niger doit s'y prendre pour s'approprier d'une telle avancée, pour en tirer bénéfice aujourd'hui je pense que hein, les réserves estimées, je crois, c'est des réserves très importantes. Récemment encore, j'ai vu un document qui circule sur les réseaux sociaux qui mhm. fait croire que le Niger, les quantités de que le baril dont dispose le Niger, c'est sont beaucoup plus important que, ce qu'on a mm. prévu. Parce que quand on parle un peu, on vous dit dans pratiquement toutes les régions de ce pays, vers Filingé, vers un peu dans la zone d'Agadez, partout, partout il y a du pétrole, n'est-ce pas Pendant longtemps, on a estimé que le pétrole nigérien n'était pas en quantité suffisante pour l'exploiter, n'est-ce pas Parce que tout simplement, bon, ceux qui voulaient réserver ça, pour leur génération future, mhm. c'était les Occidentaux, ils n'ont jamais voulu qu'on exploite. Mhm. Aujourd'hui qu'on a découvert qu'on a suffisamment, moi j'ai dit, quand c'est des ressources épuisables, il faut savoir les injecter, là où c'est bien. Mhm. C'est-à-dire les services sociaux de base, développer l'école, développer l'agriculture, développer la santé. Au-delà de la sécurité énergétique. Oui, mais bien évidemment, ça va ensemble. Il faut créer ces conditions-là pour que même quand ça va finir, mais parce que moi, je me dis, quand je vois les gens exulter, quand je vois un peu des pays comme le Congo, mhm. mais où les gens sont pauvres à l'extrême, pendant qu'ils ont assez de ressources, mhm. parce que tout simplement, quelques individus font même basse sur les ressources, avec des partenaires comment on appelle, mhm. avec des partenaires extérieurs, il faut même basse sur les pétroles, sur les ressources. Nous souhaitons donc euh, que cette, euh, production soit vraiment bien exploitée, oui. Pour que le Niger du village le plus reculé puisse euh, bénéficier, profiter. Le, plus reculé du, mm-hmm. du Niger, le village, que l'enfant de ce village puisse accéder à une école de qualité, puissent accéder à une santé, de qualité. Mm-hmm. On le souhaite, on le souhaite. Merci, merci donc à vous. C'est ici donc que se referme le numéro de ce forum de la presse de ce vendredi 8 mars 2024. Nous étions en compagnie de Memouna Diado, journaliste indépendante à Arimi Abba, journaliste à la radio alternative et Ousseini Issa, journaliste indépendant. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios avec l'actu des jeunes à suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, vous suivrez le format Hausa et Zerma les week-ends. Je suis Nefis Adam c'est par la modération. La technique est assurée par Amina Hassan. Très bon week-end à tous. Au revoir.